Fidèles auditeurs, euh, bonsoir et bienvenue à ce numéro de forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre les questions d'actualité et de société que vous vous posez au quotidien. Comment promouvoir les bonnes pratiques pour une meilleure conservation des récoltes agricoles au Niger est notre thème de ce soir. La campagne agricole 2022 a été plutôt satisfaisante avec une production céréalière et fourragère relativement bonne, a annoncé le président Mohamed Bazoum à l'occasion du 64e anniversaire de la proclamation de la République du Niger célébrée le 18 décembre dernier. Le gouvernement travaille à reconstituer dans les meilleurs délais les stocks de sécurité alimentaire à anticiper une assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate aux personnes en état d'urgence alimentaire et à renforcer l'accès humanitaire dans les zones affectées par l'insécurité, à savoir Tilaberi, Tawa, Maradi et Difa, a-t-il renchéri une situation qui nécessite une bonne conservation des récoltes de cette campagne agricole 2022-2023. Quelles sont les techniques et les bonnes pratiques pour une meilleure conservation des récoltes agricoles au Niger Quelles sont les attentes du monde paysan dans le cadre d'une meilleure gestion du stock des récoltes agricoles au Niger Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir euh, dans ce studio Dr Hamay Abdou Kadi Kadi. Il est entomologiste et directeur euh, scientifique de l'Institut national de la recherche agronomique euh, INRAN. Monsieur le directeur, euh, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Issoufa Adamou, il est le représentant de la plateforme paysanne du Niger. Monsieur Issoufa Adamou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans ce forum du studio Kalangu ayant pour thème comment promouvoir les bonnes pratiques pour une meilleure conservation des récoltes agricoles au Niger. Monsieur Issoufa Adamo, représentant de la plateforme paysanne du Niger, d'abord quel bilan faites-vous de cette dernière campagne agricole? Au Niger. Ok, merci donc euh, de l'occasion que vous nous offrez pour parler donc de la campagne agricole euh, donc euh, qui vient donc de s'achever. Donc il faut le dire que cette campagne a été dans l'ensemble euh, très satisfaisante mm-hmm. et les résultats sur le terrain, en tout cas par rapport à nos, nos producteurs, en tout cas les producteurs membres de la plateforme paysanne, donc nous ont vraiment confirmé que la saison hivernale a été euh, très satisfaisante. Malgré les quelques poches donc d'inondations et autres calamités, catastrophes naturelles, mm-hmm. en tout cas dans l'ensemble, en tout cas, les paysans se réjouissent vraiment d'avoir euh, de bonnes récoltes au titre de cette campagne hivernale. Mhm. Bien que nous n'avons pas encore donc euh, les résultats définitifs de cette euh, campagne agricole. Merci beaucoup, Monsieur Issoufa Damou, représentant de la plateforme paysanne du Niger. Docteur Hamay Abdou Kadi Kadi, directeur euh, scientifique de l'Institut national de la recherche agronomique euh, INRAN. Quelles ont été les actions d'accompagnement de l'Institut national de la recherche agronomique INRAN à l'endroit des producteurs agricoles afin que cette euh, campagne agricole soit à la hauteur de leurs attentes L'intervention de l'INRAN au, niveau paysan, ça commence depuis le champ dès mmh. qu'on on sème les, les, cultures, l'intervention de l'Iran commence depuis le champ. Et maintenant, au regard de, l'annonce que la campagne a été bonne, mhm. on a une bonne campagne agricole. Il faut que ce qu'on a récolté aussi soit bien conservé au niveau des greniers et de nos magasins de, mhm. de, de, de, stockage. Donc nous sommes attelés à voir que... Ça veut dire que dès le début déjà euh, dès, le début, on intervient au champ, les paysans oui. on accompagne pour les, aider au niveau des sols, des, semences, améliorer, mhm. c'est ça Oui, on les accompagne depuis les champs. Mhm. Donc quand je dis depuis le champ, c'est du semis jusqu'à la récolte. Maintenant, une fois que les produits sont récoltés, maintenant on veille aussi à ce que les produits qu'on récolte pour mhm. depuis le champ jusqu'au grenier, jusqu'au magasin, c'est bien conservé aussi. Mhm. Et justement, pourquoi est-il important de faire une bonne conservation des récoltes après l'hivernage C'est pour prévenir des, pertes qui seront occasionnées mhm. au niveau de, de, stockage depuis le champ. Si on ne fait pas une bonne, un bon stockage du produit récolté depuis le champ, on peut, ça peut occasionner des pertes. Même lors du transport sur la charrette, nous on constate qu'il des, ça occasionne les pertes qui vont, qui vont survenir au niveau du magasin. Donc, on accompagne les, producteurs par les, par les formations. Mhm. Avec les, service services techniques, nous, nous, nous associons pour donner des formations. Mhm. Et ces formations, c'est des chercheurs de l'INRAN qui sont attitrés, qui se mettent en rapport avec la, vulgarisation mhm. pour aller sur le terrain de Tilaberi à, à, à, à de, de, Tawa à Magradi, pour sensibiliser les paysans. Voilà ce qu'il faut faire pour sauvegarder sa production une fois que c'est récolté jusqu'au grenier, une fois que c'est le grenier, qu'est-ce que sont les actions à entreprendre Ça veut dire que vous intervenez dans toutes les régions du pays On intervient dans toutes les régions du C'est un institut national de la recherche on le sait, mais parfois quand les moyens manquent... Euh, non, non, on intervient dans toutes les régions. Mhm, si c'est maladie, il y a quelqu'un de maladie qui va faire, ou bien on fait mhm. converger tout le monde dans une localité. Mhm. Je viens à peu près deux semaines de cela de finir quatre formations d'affilée sur mhm. la conservation des stocks, mhm. de Tilaveri à Kwani. Donc, on a fait quatre séances de, de, de, de formation mhm. sur la conservation des produits agricoles. C'est toujours ça. C'est la formation des formateurs, c'est ça Non, c'est la formation des formateurs et aussi des, producteurs eux-mêmes. Donc, directement, on, échange avec eux pour leur dire voilà ce qu'il faut. Et donc, euh, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, euh, on, on, les forme on dit voilà ce que vous allez devez faire dans le magasin, voilà ce que mm-hmm. vous allez devez faire dans le grenier. Mm-hmm. Et si c'est au, même au niveau du marché, quand vous arrivez au marché, il y a, y a le facteur impact mm-hmm. de l'environnement au marché. Quand vous allez traiter votre produit, vous l'amenez au marché. Celui qui est au marché ne sait pas que vous avez traité votre produit. Donc avant d'amener le produit, vous devez savoir que ça va impacter tout le marché du transport dans le véhicule, les gens vont s'asseoir sur les sacs. Donc on les fait sensibiliser mhm. sur le, le, le, le dire que tout ça, ça a des effets. Ça, Quand par exemple quelqu'un s'assoit sur, un, sac, de mille, traité, traité avec un produit chimique, mhm. il va transporter sur son habit et il va mhm. transporter, il va aller s'asseoir vendre peut-être euh, de, la pomme de terre cuite et il a le produit sur sa chemise. Donc euh, tout ça, ça a un impact. Donc c'est toute la chaîne nous, on regarde toute la chaîne de, de, de, production et la chaîne aussi d'utilisation du produit. Mhm. Donc, c'est pas le magasin uniquement. L'argent qu'on va gagner. On dit, bon, vous allez gagner de l'argent, mais il faut prévenir aussi mhm. l'effet que ça aura sur vous-même qui vendez le produit, mhm. si c'est le mil ou le niébé. On utilise le, le phosphoxin, par exemple, pour le niébé, sans le savoir que c'est dangereux pour le gars qui traite s'il n'a pas pris les précautions de, de, de se protéger le brigadier phytosanitaire, on lui dit voilà comment vous allez prendre les précautions pour traiter votre produit, mais des fois il néglige. Donc il faut qu'on attire leur attention quand un technicien vous dit de faire pour protéger et vous et l'environnement. C'est du gaz qu'on dégage. Par exemple, le mhm. phosphoxyne, c'est du gaz qui se dégage. Quand vous, avez traité votre niveau avec du phosphoxyne fraîchement traité, vous arrivez au marché, vous ouvrez ce vaccin va se diffuser dans, dans, tout le marché. Mhm. Et tout celui qui est dans les parages, oui, dans l'environnement, mhm. tout le monde sera impacté. Donc, on, on, on, leur, on leur, dit voilà les, méfaits des produits mhm. et voilà aussi ce que vous pouvez utiliser sans utiliser les produits chimiques. On n'est pas là pour faire avocat que de ne pas utiliser les produits. Mais si vous les utilisez, voilà comment vous allez les utiliser. Et voilà les méfaits des, des, des produits sur les humains, sur les animaux, sur l'eau que vous buvez quand ça, quand ça fait euh, euh, le ruissellement dans l'eau de qu'on mhm. boit. Donc tout ça, on, on, on, explique. Mhm. Maintenant, si vous traitez une, une aire de, de, séchage mhm. avec un produit très toxique, ça va faire, ça va aller dans, dans, dans l'alimentation du bétail. Le bétail, vous allez dire, ah, il y a, y a, y a ma, hum. mon bœuf qui est en train de, souffrir, il est en train de battre les pattes, il va mourir. Qu'est-ce qu'il a mangé hum. Peut-être le sorgho que vous avez, les, les, les fans de, les, tiges de sorgho que vous avez traitées avec un produit chimique hum. pour mettre vos bottes de mille. Donc ça a un effet sur le bœuf sans savoir que vous l'avez affecté. Merci beaucoup. On hmm. voit bien que c'est un grand travail d'intérêt national hmm. que vous faites à ce niveau. Merci, Dr Hamay Abdou Kadikadi, entomologiste euh, et directeur scientifique de l'Institut national de la recherche agronomique euh, INRAN. Monsieur Issoufa Adamou, représentant de la plateforme paysanne du Niger. Habituellement, comment la conservation des récoltes est faite par les paysans au Niger chaque année? Au Niger, euh, si on peut le dire, la conservation de récolte euh, est d'abord euh, faite donc au niveau donc c'est au niveau paysan mhm. et les, méthodes utilisées, c'est vraiment pour mhm. ceux qui en ont les moyens, c'est les greniers. Mhm. Donc, les, surtout en ce qui concerne les milles, donc ils mettent ça dans les greniers, les milles en botte pour bien conserver. Et le mille en sac il y a des difficultés parce que pour le mille en sac, il y a vraiment des dispositions à prendre pour vraiment les conserver. Mhm. Là, il faut les mettre dans les magasins, traiter les magasins. Comme il dit, donc les produits chimiques ont un impact négatif sur l'homme et sur l'environnement aussi. Donc, de ce fait, vraiment, beaucoup de producteurs qui en ont les moyens conservent leur grain, leur production. Le en botte. Le mil en botte dans les greniers. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens donc des greniers, c'est vrai, ils euh, sont obligés donc de mettre le mil en sac mhm. et de conserver dans des magasins. Donc, deux fois, il y a des magasins communautaires, surtout au niveau donc de nos organisations paysannes. Ils ont des magasins communautaires dans lesquels les milles sont, sont stockés. Mhm. D'autres ont des magasins de warrantage. Là, le principe, donc, il y a en tout cas un montant qu'on leur remet pour après revenir prendre le mille l'un dans l'autre, c'est vraiment la conservation dans les magasins. Maintenant, c'est ce qui est fait. Maintenant, pour ce qui est aussi de, des autres produits, quand on prend le, le haricot, c'est vrai, certains mettent du produit, mais dans la plupart des cas, en tout cas, nous, nous conseillons nos, nos producteurs pour utiliser les sacs PIX. Puisque les sacs PIX euh, euh, ont en tout cas la capacité vraiment donc de conserver les, les céréales pendant longtemps. Mhm. Et en tout cas, vraiment, la contamination donc des insectes est très négligeable. Mhm. Mais bon, l'accès à ces sacs pics sont des fois un peu difficiles pour les mhm. producteurs. Donc, euh, le sac est à 1000 francs, mais bon, acheter un sac à 1000 francs pour mettre le haricot, pour le producteur. Au niveau même des villages, c'est à 1000 francs Oui, oui. donc C'est un prix standard. Donc, c'est à 1000 francs. Mais bon, pour le paysan, prendre 1000 francs pour acheter un sac juste un plastique et mettre son, son niébé, qui à la production fait, je sais pas, une vingtaine de mille et qui peut être vendu quelques mois plus tard à 40 mille il voit que bon, non, c'est c'est vraiment une perte. Donc, il faut mettre le produit là qui peut coûter à peine 100 francs ou 200 francs. Mhm. Mhm. Donc peu importe donc euh, les conséquences. Maintenant la différence à la place du sac Pix, il préfère mettre des comprimés ou en tout cas des produits dans le sac simple. oui, dans le sac simple des mhm. produits qui ne valent pas 100 francs. Mhm. Mhm. Et là, ils le conservent. Maintenant, au moment de la vente, ils vendent au même titre que ceux qui ont mis, mhm. ceux qui ont mis le sac fixe 1000 ben, francs. Mais pour, pour maintenant, le consommateur, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Déjà, en termes de qualité, quand, on prend le nibé qui a été conservé dans le sac fixe, en termes de qualité, il y a donc vraiment la consistance, le goût et la qualité est bonne. Mais celui qui, a été conservé par euh, les produits chimiques, déjà, il y a des conséquences, même avec le goût, on sent c'est différent, ça mm-hmm. change, même tu, tu, sens même des fois. Hein. Mm-hmm. Et à long terme, ça agit sur les consommateurs. C'est vrai que les produits chimiques, il y a des produits qui sont homologués et qui mm-hmm. sont un peu acceptés, mais le problème, c'est pas l'homologation, mais c'est l'utilisation. Mm-hmm. Le produit est homologué, mais il y a, dès qu'il y a une mauvaise, utilisation, utilité, donc il y a des conséquences sur vraiment dosage, sur, mm-hmm. ou sur mm-hmm. dosage. C'est les deux Merci beaucoup, Monsieur Issoufa Adamou, représentant de la plateforme paysanne du Niger, Docteur euh, Hamay Abdou, Kadir Kadir, entomologiste et directeur scientifique de l'Institut national de la recherche agronomique euh, INRAN. Quelles sont les techniques euh, scientifiques recommandées dans le cadre justement d'une meilleure conservation des récoltes agricoles Bon, avant de répondre à cette question, je voulais ajouter sur ce que M. va vient de dire par rapport à au prix. La santé n'a pas de prix. Donc, euh, conserver son produit dans un sac PIX, à 1000 francs et conservé dans un sac euh, de 100 francs. Mhm. Il y a une différence. Scientifiquement, le, sac PIX est démontré qu'il est, qu'il est efficace. Mhm. Donc maintenant, quand je dis la santé n'a pas de prix, mieux vaut sauvegarder dans le sac PIX et assurer sa santé soi-même que de pénaliser tout le monde avec le, un produit de 100 francs. Le produit de 100 francs, il faut à le dire, ça ne concerne pas le produit. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait C'est les méthodes alternatives de lutte. Comme j'ai dit au début, nous on n'est pas là pour faire l'avocat de dire aux, produits chimiques de ne pas arriver pour chez les producteurs. On dit faites une utilisation judicieuse des produits. Mhm. Le respect des doses qui sont sur les produits même si elles sont homologuées, si vous n'utilisez pas la dose prescrite. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait Il y a le SACPIX qui est une technologie qui a été raffinée entre une université américaine qui est pour nous l'INRA et l'INRA du Burkina, mhm. qui, est, utilisée partout à travers le monde, le SACPIX. Mais c'est fabriqué où C'est fabriqué au Burkina, on en fabrique ça. Au Nigeria, on en fabrique. Et ça, c'est parti jusqu'en Afghanistan. Il y a des chercheurs nigériens qui sont partis faire des formations en Afghanistan, en Afrique de l'Est, mhm. sur les SACPIX au Rwanda. Donc, il euh, y a un chercheur qui a fait le, presque euh, partout où il, va, c'est pour faire la promotion du sac PIX. Le, PIX, ça veut dire pour nous Cowpea Storage. Mmh. C'est ça que ça veut, Improve Storage. Donc, c'est une, une, technologie qui a été raffinée au laboratoire pour montrer, voilà, mmh. même les sacs qu'on met à l'intérieur, là, c'est déjà, déjà choisi. Donc, mmh. Donc, c'est pas n'importe quel sac qu'on met dans les sacs PIX pour faire le sac PIX. Maintenant, en dehors du sac PIX, on fait ça, on parle du niébé. Qu'est-ce qu'on fait des céréales? Le mil, le sorgho, si ça vient au sac nous, on a vu, OK, c'est les produits chimiques qu'on va utiliser là-bas aussi. Lui, il a, Issouf lui à le dire, c'est toxique. Le mot toxicité, c'est ça qui affecte la santé humaine mhm. et la santé des animaux aussi. Parce qu'on va prendre le son et donner encore aux animaux. Et les insectes eux-mêmes, ils sont un, un, problème dans le, dans le produit, mhm. si si n'est pas traité. Donc, nous, on a essayé d'autres techniques. On a, notre fameux arbre qui est dans la rue de, de, chez tout le monde, dans les rues de, de nos villes et villages, le Nîmes. Avec le Nîmes, on peut, on peut tout faire pour sauvegarder nos productions, depuis la récolte jusqu'au sac. Les feuilles séchées à l'ombre, les grains séchés à l'ombre, on peut les utiliser pour sauvegarder. On peut faire de la poudre et mettre un kilo de, de, poudre de, de Nîmes mhm. contre un kilo de, sa céréale, mille niébé. On l'a dit à des paysans, ils disent Ah, si on a deux tonnes, c'est le sacrifice qu'on va faire pour ne pas empoisonner ou bien mettre le, le, consommateur en danger. Et soi-même, on se met en danger. Donc, quand on dit le danger, la, conservation, moi, ça me tient à cœur parce que j'ai démarré à être dans le domaine de la conservation, de la recherche que je fais dans mon laboratoire présentement. C'est quand j'étais dans le champ en train de, de, faire la promotion d'une variété qui résiste à un insecte au champ. Maintenant, on, fait la production, on arrive au magasin, le producteur me dit, votre travail n'est pas fini, docteur Hamé venez voir. On est rentré dans le magasin, la variété qui était résistante, Et la produit, il a mis au magasin. Mhm. Deux mois après, c'est devenu de la poudre. En ce temps, j'ai réorienté mes travaux pour dire aux paysans, quoi, qu'est-ce que vous faites pour sauvegarder en dehors des produits chimiques Qu'est-ce que vous utilisez pour conserver vos produits Le monde dit toutes les techniques traditionnelles. Les plantes à effet insecticide mhm. qu'ils utilisent, les nîmes, le, le, le fleur d'oseille qu'on utilise pour notre jus, le néré, ou bien le, le, le, le, fruit de baobab, le, le, le, sable bien, bien, bien fin mhm. qu'on peut mettre, même l'argile. tamise parfois. Oui, on contamise, oui, c'est ce que j'ai dit, le sable fin. Contamise, mhm. on mélange avec les produits. Mhm. L'effet est ce que ça tue les insectes qui sont à l'intérieur. Ils n'arrivent pas à survivre. Quand ils font frottement à l'intérieur du sac, vous mettez du sable fin, ils font frottement, donc ça dégrade leur corps et ils n'arrivent pas à survivre. Donc on a testé le néré, on a testé le nîmes, sur les poudres. Donc, on s'est retrouvé qu'on a nos techniques qui sont là au niveau des paysans, mhm. qu'on n'utilise pas. Donc, il faut les valoriser et faire fi ou éviter même d'utiliser les produits chimiques. C'est à défaut quand on n'a pas, ou on a. Aujourd'hui, les paysans qui sont, ils ne pas me dire, les paysans après la récolte, ils sont au village. Mais quand vous allez leur dire cueillez les feuilles de nîmes séchées et, et, et conservez votre produit avec, ils vont vous dire ah c'est trop, ça prend du temps le, le, produit chimique qu'on a fait, on a pris du temps pour le développer. Mmh. Donc s'il faut utiliser le, le nîmes de chez soi pour sauvegarder sa, sa récolte et ne pas intoxiquer sa propre famille même, si le grenier est au village, mmh. on, peut le, on peut le faire sans, sans problème. Donc il y a des techniques. Mmh. Donc moi, mon approche pour, au niveau recherche, c'est d'utiliser les connaissances locales des paysans pour sauvegarder nos productions agricoles parce que j'ai vu j'ai vu quand j'ai produit la, technologie qui est qui est produit au champ mais quand ça arrive au grenier c'est détruit donc il faut aller à une technologie pour sauvegarder les, les, les variétés les, les, grains pour que quand on consomme du fourrage quand on consomme le tout c'est du produit sain qu'on va qu'on va utiliser ou quand on fait le plan pi avec l'arachide c'est un produit fin qu'on va faire pour nos enfants pour la malnutrition. Mhm. Donc c'est ça l'optique de, on appelle ça stratégie alternative de lutte contre. Quand on dit alternative, c'est donc quelque chose qui est de l'autre côté qu'on ne veut pas. Mhm. Donc c'est le produit chimique. Donc la stratégie alternative, c'est d'utiliser les plantes à effet insecticide dont on a. Ça veut dire qu'au niveau de l'INRAN, ce que vous encouragez, c'est beaucoup plus la conservation avec sans l'utilisation de, produits, chimiques. mais on, on, ne dit pas n'utilisez pas. Mhm. À défaut, quand vous posez la question au producteur, qu'est-ce que vous utilisez quand après la récolte La première réponse qu'ils nous donnent, je vais chez le commerçant à côté, j'achète mes produits chimiques. Mhm. Ils disent produits chimiques, ils ne savent pas c'est quoi. C'est pas leur souci, c'est quoi. Des fois même on dit le terme que je n'aime pas utiliser, mais je vais l'utiliser en studio aujourd'hui. J'utilise le pia-pia. Le pia-pia, c'est le produit pour, les insectes pour les insectes. Euh, on, on, les que c'est dangereux. C'est dangereux, le pia-pia, c'est dangereux. Même au niveau de la conservation. La conservation, quand on lit même le contenu, ce qui est écrit, on, on, a l'impression qu'il y a une mise en garde. Il y a des mises en garde, oui. Mm-hmm. Même pour, pour ouvrir, on te dit qu'il faut avoir ton masque. Mm-hmm. Il faut avoir les, les, les, les matériaux de protection pour ouvrir un produit chimique, mm-hmm. pour traiter avec la poudre de néré que je veux dire. Mhm. On n'a pas besoin de, on a besoin de matériel peut-être le nez pour que ça ne rentre pas dans notre nez. Mhm. Mais le produit chimique, quel que soit le produit chimique qu'on manipule, on a besoin d'une protection. Et ça, c'est ce qu'on appelle le matériel de protection, c'est les gants les masques, on, on s'est habitué aux masques avec le, le, le, Covid, mhm. mais on a besoin de se protéger, on a besoin de casques, on a besoin de bottes, on a besoin d'un habillement convenable qu'on nettoie à la fin du traitement. On n'a pas besoin de finir le traitement et rentrer chez soi. Donc tout ça, ce n'est pas respecté. C'est pas respecté. En zone pas respecté. Et mhm. quand on en parle, ils disent ça prend du temps de porter les habits. Mhm. C'est la réponse qu'on donne aux techniciens. Qui et habituellement, quels sont les produits chimiques euh, qu'on utilise dans cette conservation des récoltes agricoles Les récoltes agricoles, généralement, c'est le, fameux produit qu'on connaît dans la conservation en milieu paysan, c'est le phostoxin. Mhm. Les gens se font recours au phostoxin pour les produits chimiques incomprimés qui se diffuse quand vous le mettez dans le sac pour protéger le, produit même dans le sac. C'est efficace, ça va faire. C'est ça le, mhm. la magie des produits chimiques. Mhm. Ils sont efficaces, ils vont jouer le rôle que vous, avez, vous, vous, vous, utilisez pour faire, pour, pour, sauvegarder la production. Mais une fois que ça se diffuse, ça reste. Ça reste, vous pensez que ça, se diffuse... ce n'est plus dans le grain, mais c'est collé au grain. Mhm. Vous, prenez, vous allez mener au moulin, ça passe du moulin, ça va dans la, dans, dans, la marmite et vous, vous consommez. Est-ce que ça a des conséquences Ça des conséquences. la santé Il y a des chercheurs qui font la richesse sur les, les, effets des, des, pesticides sur la santé humaine, sur la santé animale, sur la santé des êtres. Mhm. ça, a des conséquences. Même l'air qu'on respire, si c'est si si toxique, si c'est mhm. a eu traitement des produits, des fois les, les, les commerçants, c'est en plein air qu'ils traitent mhm. avec des produits, des produits chimiques, la poudre sans tenir compte qu'il y a quelqu'un qui est à côté, qui est un tailleur. Mhm. Le produit va chez le tailleur. Mhm. Après, s'il a un AVC, on va dire, ah, il a eu un AVC, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, alors que mhm. c'est l'effet du produit. On, en a parlé quand on était en formation les deux, les quatre semaines. On s'est rendu compte qu'il y, a des, il y, a des, il y a des personnes qui utilisent les produits en tant que magasinier ou en tant qu'ils manipulent les produits, soit pour faire les traitements en chance à respecter les, les mesures de protection et qui arrivent à succomber subitement Mm-hmm. Et on se rend compte, que ça doit être et les effets des produits chimiques qui agissent sur eux. Mm-hmm. les, stratégies alternatives, c'est pour pallier à ce problème des produits chimiques. Mm-hmm. Donc, pour ne pas nommer certains, parce que des fois, nous, on évite de nommer les produits chimiques. Parce que c'est comme donner une caution quand tu dis un tel produit est efficace. Mhm. Donc nous, on, s'en tient à dire les produits chimiques parce que mhm. si aujourd'hui tu dis sans trop euh, les, citer, nous C'est comme si vous recommandez. Oui, vous recommandez ou ne recommandez pas. Donc euh, vous, êtes en train de <laughs> déconseiller. de, Merci, on vous a bien compris. Merci beaucoup. Monsieur Isoufa Adamou représentant de la plateforme euh, paysanne, quelles sont les techniques et les bonnes pratiques auxquelles les paysans sont déjà habitués dans le cadre de la conservation des récoltes agricoles au Niger Ok, la méthode alternative donc pour nous donc ce sont des pratiques agroécologiques. Mhm. Aujourd'hui euh, au Niger quand on prend vraiment l'agroécologie occupe une place très importante mhm. au niveau des producteurs. En tout cas, et l'agroécologie ça veut dire quoi concrètement L'agroécologie c'est vraiment l'utilisation vraiment des produits chimiques limités. On ne dit pas que c'est zéro, mais c'est vraiment limité. C'est vraiment en cas de force majeure qu'on utilise les produits chimiques, mais on limite vraiment l'utilisation des produits chimiques. Mhm. Donc euh, tous les produits utilisés sont des mhm. produits vraiment naturels pour vraiment de la production, mhm. donc jusqu'à la conservation donc des, des produits vivriers. Donc, euh, en tout cas, nous faisons en tout cas de notre mieux pour sensibiliser et former en tout cas les organisations paysannes pour que et l'agroécologie puisse vraiment gagner de l'ampleur sur le terrain. Et donc, euh, en parlant aussi de, produits toxiques ou les, pour les méthodes de conservation, et sur le terrain, le produit, l'un des produits qu'on retrouve le plus est Rambo. Rambo, la poudre avec euh, oh le, bouchon rouge. Mhm. Donc, généralement, dans les magasins, dès que tu parles de produits de conservation, dans les magasins, on te dit tête rouge. Donc ça, c'est vraiment de faute. Dès que tu rentres dans les magasins, tu vas voir les boîtes vides jetées un peu partout. Donc pour eux, ils mettent pas sur les céréales, donc ça n'a pas d'effet. Donc ils mettent sur le plancher mm-hmm. Mm-hmm. et sur les murs. Et ils ferment la porte. Donc déjà, dès que tu fermes la porte, il n'y a pas de l'air qui sort. C'est que tout ce qui est toxique là, ça rentre aussi dans les céréales. ça rentre dans les sacs. Mais bon, pour eux, puisqu'ils n'ont pas mis sur le sac, il n'y a mhm. pas de conséquences. C'est comme les insecticides dans une chambre. Oui, comme les insecticides dans une chambre. mets, il y a l'effet résiduel, ça détruit le moustiques. mais quand il y a des assiettes et autres, on, te dit de les laver avant de les utiliser. Mhm. Mhm. Oui. Donc c'est vraiment ça. Et maintenant, et les méthodes de conservation, en plus de, de ces pratiques avec euh, les produits agroécologiques, il y a aussi et, les, les contenants. Mhm. Les contenants. Par exemple, pour le cas de, du, du, mhm. donc nous avons vu dans certaines régions, les gens utilisent les bidons mhm. ou même les fûts pour, conserver les, les, les, Mais maintenant, pour les autres céréales, bah, l'arachide, d'autres le préfèrent vraiment le garder non décortiqué, pour éviter vraiment et, que ça se gâte. Mm-hmm. Donc c'est un peu ça les céréales. le mil, on dit donc là aussi tout à l'heure, je disais que en botte, c'est mieux. Mm-hmm. Et c'est plus, en tout cas, il y a plus de possibilités de mieux conserver ça en botte. Ça veut dire qu'il y a déjà des bonnes pratiques. Euh, oui, il y a des bonnes pratiques, bonnes mm-hmm. pratiques qui sont utilisées, mais bon, maintenant, pour la population, pour les paysans, c'est que la bonne pratique n'est pas sûrement la pratique euh, la plus facile. Donc, pour, elle, pour, la, pour les producteurs, mm. ils, vont plus vers la facilité que vers, vraiment vers l'écologie. Monsieur le directeur, euh, quel accompagnement l'INRAN apporte à ce niveau Donc, quand on va pour les formations, on se, confronte au problème que euh, Monsieur Issoufa vient de signaler. Mm-hmm. les, paysans n'ont pas l'argent pour payer les, les, sacs. Mm-hmm. Maintenant, ils font recours aux produits chimiques qui sont, qui sont toxiques pour, pour eux et pour l'environnement. Maintenant, quelles solutions on, préconise mhm. C'est comme j'ai dit, les solutions alternatives. Le recours aux plantes à effet insecticide qu'on a chez nous, le jatropha que les gens ne connaissent pas, qui est, qui est très efficace pour lutter contre les, les, les, insectes de stock. Mhm. Et maintenant, aussi, ce qu'on dit, aussi, sans, sans pour autant leur dire payer les sac PIX vous ne, vous ne, vous ne battez pas votre nièvre, vous le laissez en coque. C'est une méthode aussi pour le, le, le non battu, le sorgho non battu, le riz paddy, vous le laissez à riz paddy, ça, ça, ça, ça, et le, le, le maïs aussi, vous n'allez pas le, vous n'allez vous, ne, vous, ne, le décortiquez pas aussi. Mhm. Vous le laissez, dès que la récolte, vous le laissez. C'est une technique très efficace pour éviter les, les les, insectes de stock. Donc l'accompagnement, en tant qu'accompagnement, l'INRA <laughs> n'accompagne pas avec les moyens pour dire on vous accompagne. Mhm. Généralement, les producteurs, comme il l'a dit, ils sont, organisés en coopérative, en, association. Donc, il y a, des ONG qui les appuient mhm. en disant on veut être appuyé pour avoir même les, les sacs PIX, par exemple. À un moment, il y a des ONG qui ont distribué les sacs PIX dans ce pays pour que les producteurs sauvegardent le Niévé, pour comprendre le sens même, pourquoi le sac Pix, pour mm. qu'ils s'approprient et achètent eux-mêmes. Mais on vient de découvrir que même acheter un sac de 1000 francs, c'est, c'est pas pour tout chaque producteur, un mm-hmm. sac Pix que vous pouvez utiliser l'an prochain. Alors que le, sac de, de, 500 que vous allez payer, vous sauvegardez plus le produit, ça fait 600. L'an prochain, il faut faire recours à un autre sac. Mm-hmm. Parce que ce sac-là, il ne va pas rester. Et alors que le sac Pix, vous pouvez le réutiliser encore. Mhm. Donc, ce n'est pas une seule utilisation pour le sassi, c'est bien conservé. Chaque euh, producteur doit faire cet effort de euh, bonne conservation de Ses Soit avec les sacs PIX pour le niébé et l'arachide mhm. et le niébé, mhm. et maintenant les autres céréales de faire la stratégie alternative de faire recours aux connaissances qu'on a qui sont même testés, qui sont testés au niveau le contenant. Oh, les oui, c'est Je voulais ajouter à ce qu'il dit. Mhm. C'est bien indiqué que quand vous utilisez un bidon, mhm. vous avez moins de de parts pour votre niébé ou autre autre euh, produit que vous allez euh, mettre dans le bidon. Mhm. Et en ce sens, c'est quoi le bidon Ça fait quand vous mettez un produit qui est déjà infesté à l'intérieur du bidon, ça crée un environnement de non-survie pour l'insecte. Donc, il meurt. Mhm. Même si c'est les œufs que vous avez introduits dans, avec le produit, ils ne vont pas survivre parce qu'il n'y a pas d'air. Mhm. C'est l'air qui fait que. C'est hermétiquement, fermé. hermétiquement fermé. Et même le sac pique c'est le même système. Mhm. C'est hermétiquement fermé. Donc, tous ceux qui est à l'intérieur ne n'arrive pas à survivre. Donc, vous allez verser votre produit après trois mois. Vous allez trouver qu'il n'y a pas d'insectes. Et au marché, tout le monde va se rier pour dire ah le produit de Intel mhm. de Habibou c'est très bien je vais aller acheter le produit, de Habibou mais de l'autre côté un autre producteur qui est venu avec son IEB peut-être il a mis les produits malgré ça il y a les il les trous dans, les, dans, Et quelles sont les conséquences d'une mauvaise conservation des produits agricoles euh, après la période de récolte Les conséquences, c'est la prolifération des maladies. Mhm. Des maladies qui sont soit causés par les dépôts même des insectes, mhm. soit par les dépôts même des décompositions des produits. Mhm. Une fois que les produits sont attaqués par les insectes, mhm. donc il y a des maladies qui viennent avec les moisissures. Ça veut dire qu'une mauvaise conservation entraîne, euh, des effets négatifs euh, sur la santé. Les maladies, maintenant, ces maladies causent aussi d'autres conséquences dans la santé humaine qui causent d'autres maladies que, des fois, c'est la fièvre typhoïde, que vous allez voir quelqu'un fièvre typhoïde ou le cancer, mhm. Une mauvaise conservation peut aboutir à ça. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences Oui, il y aura des pertes. Donc, laisser une partie au champ dans le, dans le grenier ou à la maison dans le grenier que de battre et dire je vais aller au magasin. Parce que le magasin, comme il l'a dit, il faut d'abord sécuriser les parois, nettoyer tout. Même si mhm. vous n'avez pas le produit, si c'est bien nettoyé, vous mettez votre sac, vous fermez, comme il vient de le dire, vous fermez sans le produit à tête rouge là vous, vous mettez, vous fermez votre magasin, il y aura une réduction des, des, des, mhm. pertes dans, votre, dans votre produit stocké. Mhm. Mais il faut, on a, cette tendance, j'ai mis les sacs, il faut que je mette quelque chose pour. Mais si vous fermez, si c'est hermétiquement fermé, il n'y a pas d'issue pour entrer, pour quoi que ce soit. Donc euh, aussi, les paysans, ce qu'ils font, ils ont stocké leur, leur mille en sac de l'an 2021. Mhm. Ils ont le sac de 2021 qui est arrivé on vient, on met la même chose. Mhm. les, sacs, les anciens sacs sont déjà infestés. On, ils sont certainement infestés. On met le nouveau. Donc la logique scientifique, c'est que vous enlevez ceux qui rentrait en premier dehors et vous mettez le nouveau après mhm. avoir nettoyé toutes les parois, tous les étalages de, mhm. du magasin et vous mettez le nouveau et l'ancien là. Soit vous l'écoulez ou bien vous le mettez en début de magasin. Donc c'est ça qui va sortir quand on a besoin de vendre ou bien on a besoin de manger. Monsieur le directeur, on comprend donc que l'intérêt d'une bonne conservation est double. Ça permet donc euh, d'éviter les maladies, à, la population, mais également de pouvoir conserver une meilleure quantité, également bénéfique euh, dans le cadre de l'atteinte euh, de l'objectif fin zéro pour toutes euh, les populations. Merci beaucoup. Mais par rapport à la durée de la conservation, mhm. est-ce qu'il y a une durée pour euh, la conservation des céréales Bon, les, céréales, on a vu avec les, les, produits alternatifs utilisés, mhm. les paysans peuvent aller, par exemple, avec une relais jusqu'à six mois. Mhm. Il n'y a, pas de dégâts. Après six mois, donc ils savent qu'après six mois, il faut que je, fasse quelque chose avec. Déjà après six mois, c'est qu'on est déjà dans, l'hivernage, la saison pluvieuse. les, produits que j'ai cités, le néré, le, le nîmes, vous pouvez aller jusqu'à trois mois, jusqu'à l'hibiscus, le, l'oseille. Vous mhm. pouvez aller jusqu'à trois mois, mhm. trois à six mois de conservation. Vous n'avez pas de dégâts. Mhm. Dernièrement, j'étais à Gaïa avec une. on, on, visitait une, euh, un groupement de producteurs qui ont intervenu avec un projet, on On est arrivé. Donc, euh, le producteur avait, avait mis son produit dans, dans un bidon cassé. Et la première réaction, c'est de j'ai mis mon doigt, je suis sorti de mon doigt avec un insecte. Ils ont dit, mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'insecte. J'ai dit non, on a dit que c'est un bidon, donc on ne devait pas avoir un insecte. Mhm. Donc on, a regardé du côté, on a regardé du côté, le bidon mhm. était troué. Mhm. Immédiatement, j'ai dit au producteur, ce bidon-là, il n'est plus d'actualité, vous changez un autre, autre bidon que vous allez réutiliser pour le même niveau. Et vous allez voir les insectes. Les insectes sont déjà développés dans le bidon. Donc le bidon même, il faut savoir que si c'est cassé, c'est même pas la peine. Il y a l'air qui circule, donc les insectes vont survivre. Donc après, j'ai dit, à côté du bidon aussi, il y avait des, feuilles d'oseille hmm. séchées. J'ai dit, mais il y a, hélas, ben un produit que vous pouvez utiliser pour votre niébé. Vous aurez dû mettre votre niébé là, dans le sac, et vous mettez les feuilles là, quand à l'arrivée, et vous, vous arrivez à éliminer les insectes avant de mettre hmm. dans le bidon. Maintenant, cherchez un autre bidon tout neuf et, remettez. Et c'est comme si, comment vous allez me l'oseille joue Vous avez dit, moi j'ai étudié l'oseille mhm. joue contre les insectes de stock. Monsieur le directeur, le problème qui se hein. pose à ce <laughs> niveau, c'est comment savoir si un aliment conservé sans date de péremption mhm. ne peut plus être consommé, puisque le consommateur a envie de savoir à quel moment il ne peut plus acheter le bon, Moi, euh, pour mon bon sens fait que je vais vous répondre à votre question en disant qu'un produit mal conserver. Mhm. Dès que vous, vous arrivez même au grenier, même le grenier sent mauvais. Le magasin où vous avez stocké, si c'est mal conservé, c'est l'humidité, c'est la température qui a fait que le produit mhm. est périmé. C'est pas un produit que vous avez mis, c'est pas le mil, c'est pas le sorgho que vous avez mis que vous allez voir. C'est le sang ou bien le, la poudre que mhm. vous allez voir. Donc, sur le marché, sur le marché, c'est la même chose. Quand vous arrivez chez un commerçant, lui-même, il ne va pas mettre ça à l'étalage. Il va chercher du produit qu'il va faire comme ça pour attirer la clientèle. Si c'est déjà devenu du son, il ne va pas. Puisque le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de date de prévention. date de Oui, lui, il sait. Mhm. Si c'est devenu du grain de sorgho ou de mhm. mil, est devenu de la poudre ou l'arachide est devenu. C'est pas des grains, c'est des brisures. Mhm. les, brisures d'arachide au marché et les, grains complets. Monsieur il va me dire oui, je vais vers le grain complet ou bien le producteur, c'est vers le grain complet il va. Donc l'odeur aussi du produit peut déterrer le, producteur même mhm. lui-même dans son magasin de ne pas utiliser ce produit. Mhm. C'est déjà fini. on va à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on arrive à ce stade C'est le désinfecter, si c'est possible, de manger on dit de désinfecter, soit deux fois, les gens se passent à la transformation. On fait la transformation au moulin ou bien on fait la transformation en, farine. Mhm. Deux fois, c'est pas pour les humains. Hein. Quand on fait la farine ou bien on fait concasser ça, c'est pour l'alimentation animale. Et pas mhm. à 100% aussi le produit. Mhm. Ne peut pas aller 100% à l'alimentation humaine parce qu'on a, on a un peu transformé, peut-être se faire un, complément alimentaire avec d'autres produits. On, on, on peut que l'utiliser avec précaution. On ne dit pas qu'il ne faut pas, coûte que coûte utiliser. Si ce n'est pas utilisable, on, on, le dispose. On le dispose mm-hmm. euh, comme notre poubelle qu'on mm-hmm. parle. Les consommateurs doivent être vigilants. Ils doivent être vigilants. Le mieux, c'est de s'acheter des bons produits. Des bons produits. C'est ça comme l'essence de dire conservation mm-hmm. avec les produits alternatifs. Merci beaucoup. <laughs> Et nous entamons la dernière partie du forum de Studio Kalangu de ce soir portant sur le thème comment promouvoir les bonnes pratiques pour une meilleure conservation des récoltes agricoles au Niger. Et c'est pour à présent parler des attentes du monde paysan dans le cadre d'une meilleure gestion des stockages des récoltes agricoles au Niger. Avant de voir euh, ces attentes, euh, Monsieur Issoufa Adamou, représentant de la plateforme paysanne euh, du Niger, quelles sont les actions de la plateforme paysanne visant à renforcer les capacités des producteurs agricoles à la fin de chaque euh, hivernage euh, au Niger afin qu'on puisse justement arriver à avoir euh, cette bonne conservation des produits agricoles. Par rapport au renforcement des capacités donc des producteurs, la plateforme paysanne entreprend des actions de sensibilisation pour vraiment amener les producteurs à mieux conserver leurs produits. Mhm. Maintenant, en plus de la conservation, c'est vrai que tout à l'heure on parlait de la date de la péremption, mhm. donc des produits agricoles. Et dans ce sens aussi, il faut éviter ça. Mhm. Il faut utiliser vraiment les, les pratiques, les méthodes donc de stockage et utiliser le principe euh, premier entrée, premier sortie pour éviter vraiment à ce que du mil ou en tout cas une céréale déjà emmagasinée puisse durer dans le magasin. Mhm. Donc le premier entrée, premier sortie, donc ça permet au moins d'évacuer un peu les productions mhm. le plus tôt possible avant vraiment mhm. les dates de péremption. Et aujourd'hui vraiment sur le terrain, on commence à voir en tout cas des changements. Des changements surtout avec euh, les questions des achats institutionnels où beaucoup d'organisations paysannes sont mobilisées aujourd'hui pour fournir des céréales à des institutions de la place ou pour, pour euh, répondre à des, des, des commandes des, du stock, stock national de sécurité ou autre. En tout cas, dans ce sens, aujourd'hui, les paysans sont en tout cas en train d'améliorer les méthodes de conservation. Mais là, il y a des méthodes vraiment, quand on part à la question de, la, de ces sacs, et autres, mhm. des méthodes qui sont un peu bonnes pour le paysan qui trouve qu'il c'est un peu cher. Mm, ça veut dire qu'il y a des difficultés. il y a des difficultés. Mm, et quelles sont les attentes en vue d'une meilleure conservation Donc, en vue d'une meilleure conservation, vraiment, donc il faut d'abord renforcer les capacités donc des producteurs, mais mhm. aussi assister ces producteurs dans la fourniture, surtout du matériel mhm. pour la conservation. Qui doit faire ça euh, L'État et les partenaires techniques et financiers, mhm. donc, doivent vraiment appuyer les paysans pour qu'ils puissent vraiment disposer, en tout cas, du matériel pour la conservation donc des, des aliments. Mhm. Nous avons vu dans le pays, c'est vrai qu'il y a des structures qui ont des magasins, mhm. des grands magasins, mhm. mais en tout cas ces magasins sont vraiment insuffisants par rapport à, aux quantités produites par les populations au niveau donc local. Donc si ces infrastructures sont vraiment renforcées et renouvelées surtout, il y a des endroits où les infrastructures existent mais elles sont vraiment vétustes. Donc il faut vraiment améliorer certaines infrastructures pour que la, le conditions de stockage soit vraiment meilleures dans les, au niveau donc des, Merci beaucoup, Monsieur Issoufa Adamou, représentant de la plateforme paysanne du Niger, Dr Hamay Abdou Kadi, entomologiste et directeur scientifique de l'Institut national de la recherche agronomique euh, INRAN. Quelles sont les perspectives de l'Institut national de la recherche agronomique euh, INRAN pour arriver à atteindre ces objectifs euh, qu'il vient bon, d'énumérer objectifs, pour les atteindre, peut-être pour ne pas vous couper, moi je dirais, je vais appuyer ce qu'il a dit il faut d'abord renforcer les magasins de stockage, le mhm. renforcement des capacités des producteurs même, des producteurs et des agents de terrain. Parce que c'est mhm. eux-mêmes, les agents de terrain d'abord et les producteurs eux-mêmes, mhm. qu'ils prennent, qu'ils s'approprient des technologies développées. Les technologies, le, sac sacrifice même n'est pas approprié. Il y en a qui ne le connaissent même pas. Mhm. Et ça, c'est pas la recherche qui va. Euh, est-ce qu'à l'INRAN, vous avez des perspectives dans le sens de ces différentes attentes Oui, les, différents. Par exemple, le SACPIX, il y a des caravanes pour, pour sensibiliser les producteurs sur l'utilisation des SACPIX mhm. qui se fassent à travers les ONG et les projets de développement ou des, projets collaboratifs avec l'INRA. il, il, il, y a des caravanes pour pour sensibiliser les producteurs de l'utilisation du, sac PIX, pour l'utilisation des technologies alternatives. Quand on fait les, les, les, les formations aussi, on sent que l'appropriation, il y a un sentiment que on ne peut pas faire la poudre de Nîmes pour traiter, pour traiter mon, mon, sac avec 100 kilos de, comment je vais avoir 10 kilos de, de poudre de Nîmes pour traiter 100 kilos de mille. Mhm. C'est du travail, alors que c'est du c'est pas du travail pour aller payer 20, grammes d'un produit toxique pour le même sac. Mhm. Et il y a la santé qui, qui en périt. Mhm. La santé du, de, l'acheteur, du vendeur et des utilisateurs qui ne connaissent même pas qu'on a utilisé. Donc les perspectives, moi je dirais, je, je ferai un appel à, nos partenaires, les, paysans mhm. et, les, les, les projets, d'appuyer les producteurs dans le sens que il ne suffit pas de produire en mettant les intrants au champ et quand on arrive à produire, on a ça au champ, on regarde, c'est beau. Mhm. Quand on rentre dans le magasin, quand on rentre dans, dans nos greniers, on sort avec des, produits qui est déjà périmés, comme vous dites. Mhm. Vous avez posé une question sur la péremption. Un produit qui est détruit. Mhm. L'État, les partenaires doivent nous appuyer. Moi, j'ai reçu un appel téléphonique hier, quelqu'un qui me dit Vous nous avez formés, c'est quoi, la, c'est quoi, le, c'est quoi la suite Il a appelé. J'étais chez moi, il dit C'est quoi la suite J'ai dit c'est les partenaires qui m'ont amené, qui m'ont mis en contact avec toi, c'est eux qui vont venir pour la suite. Il dit non, non, c'est à toi de leur dire de venir. Ils ne vont pas venir si, si tu n'as pas intervenu. Hmm. Maintenant, j'ai dit, j'ai pris l'engagement, je vais dire aux partenaires qui m'ont amené à Kwani, un projet qui collabore avec RINA. Hmm. Les paysans attendent encore vous, vous, travaillez avec eux, retournez leur dire comment. Ça veut dire qu'il faut renforcer. Renforcer, oui. Cet appui à l'endroit du monde du monde, du monde On vous a bien compris. Et nous-mêmes, nous-mêmes, il faut nous appuyer pour faire la recherche. Donc les attentes sont, sont, immenses, sont, immenses. Ça nécessite un grand accompagnement pour, de la part pour que de la fin zéro là et ses partenaires pour atteindre. Donc pour la, fin zéro là, si on ne sauvegarde pas ce qu'on produit là, on ne mhm. va pas atteindre. La Merci fin beaucoup. En tout cas, on vous a bien compris, et chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Talango qui a eu pour thème comment promouvoir les bonnes pratiques pour une meilleure conservation des récoltes agricoles euh, au Niger. Nous retenons donc euh, cette euh, bonne conservation des récoltes agricoles au Niger favorise le mieux-être sanitaire des consommateurs sur l'ensemble du pays. Ça permet également d'avoir une meilleure quantité de produits agricoles disponibles pendant toute l'année, chose qui contribue donc à l'atteinte de l'objectif Objectif euh, fin zéro. Et c'est ici que se referme ce forum. Nous disons merci à nos invités. Docteur Hamay Abdou Kadi Kadi, il est entomologiste et directeur scientifique de l'Institut national de la recherche agronomique euh, INRAN. Et Monsieur Issoufa Adamou, représentant de la plateforme paysanne du Niger. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji, à la technique saint Saka. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir. Thank you.